Pour euh, rendre le cadre de vie des populations sain et viable, le gouvernement a jugé utile d'adopter une loi. Cette loi, c'est la loi numéro 63 2014 du 25 novembre 2014 qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Cette loi, elle interdit la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et le stockage des sachets à emballage plastique souple à basse densité. Donc, depuis la création de cette loi, ça n'est suivi son décret d'application. Donc, à ce stade, on peut dire qu'il y a une loi qui est là, qui interdit les sachets plastiques qui ne sont pas biodégradables. Et cette loi est en cours. Oui, la loi, du moment où elle a été adoptée et que son décret d'application aussi est, est adopté, on peut dire que la loi là, elle est bien appliquée comme je l'ai dit. La loi est en application seulement. Il y a des mesures d'accompagnement qui manquent, qui font que jusque-là, ces sachets plastiques qui sont incriminés continuent de rentrer dans le pays. Et c'est ça qui fait en sorte que partout, on voit des sachets plastiques. Comme je l'ai dit aussi, la loi interdit seulement les sachets plastiques qui ne sont pas biodégradables. Donc les sachets plastiques biodégradables sont admis. Donc du coup, c'est normal qu'on continue de voir des sachets plastiques un peu partout. Le problème seulement, c'est qu'on n'a pas de modes de gestion qui peuvent amener à gérer les sachets plastiques là qu'on jette. C'est ça le gros du problème qui fait en sorte que ces sachets-là sont visibles un peu partout. Ces sachets plastiques ils sont là et ils ont beaucoup d'effets néfastes sur l'environnement. Vous allez voir que nous avons les sols qui sont pollués par les sachets plastiques. Ces sachets plastiques qu'on jette un peu partout, surtout dans les champs. Il y a des agriculteurs qui déversent les déchets plastiques pour faire... Pour eux, c'est une manière d'amender le sol alors qu'ils sont en train d'asphyxier le sol avec ces sachets plastiques qu'ils déversent dans les champs. Ces sachets plastiques constituent des, des sources, parce que quand les sachets plastiques sont ancrés dans le sol, ça obstrue les trous et ça empêche l'infiltration de, de l'eau. Et cela cause des baisses de rendement agricole. Et aussi, ces sachets plastiques souvent obstruent les canaux d'évacuation des eaux et on assiste à des périodes d'inondation dans les villes parce que les canaux d'évacuation de l'eau sont obstrués par ces sachets plastiques. D'autre part aussi, il y a les sachets plastiques là sont en train de dénaturer l'environnement. Ça rend, ça donne un paysage pas bon à, à voir. Ces sachets plastiques aussi, souvent les femmes surtout, utilisent les sachets plastiques pour, pour allumer le feu. Et le gaz que ça dégage, ce sont des gaz très toxiques et qui peuvent donner des maladies respiratoires et même des cancers. Souvent, les scientifiques disent que la, fumée, la, fumée qui provient de la brûlure du sachet plastique donne même le cancer. Et souvent aussi, quand les sachets plastiques là sont enfouis dans le sol et que l'eau, l'eau de pluie arrive, ça retient l'eau et ça, ça se devient une source de profilation des maladies. Donc il y a des, des, microbes qui se développent et ça, ça donne des maladies comme le paludisme, le choléra, etc. Et ça donne aussi des odeurs, de mauvaises odeurs. Et sur euh, le cheptel, on a vu qu'il y a une étude de l'UMOA qui a démontré que le 25% du cheptel dans l'espace UMOA meurent par ingestion de ces sachets plastiques. Donc une grande quantité d'animaux meurent par ingestion de ces déchets plastiques. Et ça, c'est quelque chose qui est très visible un peu partout où il y a les déchets. Et les sachets plastiques aussi, ça, ça contribue à, à la baisse du rendement sur le point de développement socio-économique. Quand il y a beaucoup de sachets plastiques, cela euh, donne un coût pour la salubrité. Il y a un manque à gagner. S'il y avait des, des, manières de recycler les sachets plastiques, ça permet de gagner de l'argent. Ça, ça, empêche aussi la création euh, d'emplois. Si ces sachets plastiques sont, sont, sont, sont recyclés, sont valorisés, ça permet la création d'emplois ça permet aux jeunes d'avoir des emplois. Voici en gros quelques effets néfastes de ces sachets plastiques sur l'environnement, la santé humaine, animale, sur le social, l'économie, etc. Donc, pour ce qui est des moyens de recyclage, on ne peut pas dire que c'est à grande échelle. Il y a quelques privés qui s'adonnent dans la transformation de ces déchets plastiques-là pour fabriquer soit des pavés, des dalles, des plateformes pour les toilettes. Et souvent même, on fait des clés pour la fixation des dunes, etc. Mais ce n'est pas à grande échelle. Donc vraiment, le secteur privé n'est pas promis de telle sorte qu'ils peuvent absorber tous les sachets plastiques que nous produisons. On a eu affaire en 2014, ça c'est une suite de la loi. Donc quand il y a eu l'adoption la, de la loi, l'État a accompagné le ministère pour mener des activités génératrices de revenus. Donc ces activités génératrices de revenus, on, les a faites dans presque toutes les régions du pays. À quoi ça a consisté Ça a consisté à donner de l'argent à la population qui sont vulnérables, les femmes et les jeunes, il y a deux catégories d'activités. Il y a ceux qui vont faire le balayage et il y a ceux qui vont faire le ramassage des sachets plastiques. Surtout pour le ramassage des sachets plastiques, il y a eu beaucoup d'engouement. Il y a eu beaucoup d'engouement. Et jusque-là, les gens continuent de réclamer ces activités-là. Mais très malheureusement, par manque de moyens, depuis 2014, ces, activités-là n'ont pas pu être et n'ont pas continué. Donc, ce sont des activités vraiment qui ont permis à la population de gagner des revenus et aussi qui leur a permis de créer d'autres emplois à, à leur niveau même. Mais pour le moment, vraiment, il n'y a pas ces activités, mais même si la population continue à réclamer ça. Donc, pour ce qui est des quantités de déchets, par exemple, quand je disais après la loi, là, on a eu à mener les activités de, de ramassage des sachets plastiques. En 2014, en tout cas, quand on a fait cette euh, activité, on a eu à collecter jusqu'à 1850 tonnes de déchets plastiques. Voilà. Voilà, pour vraiment lutter contre ces déchets plastiques qui sont très néfastes, au niveau du ministère, on a eu à mener plusieurs activités de sensibilisation. Sensibilisation au, profit des, populations, au, profit surtout des commerçants qui importent ces sachets plastiques, les détaillants qui utilisent, qui, qui vendent ces sachets plastiques et aux ménages qui utilisent ces sachets plastiques on les a sensibilisés, on leur a montré le pour et le contre de ces sachets plastiques. On a sensibilisé les journalistes pour qu'ils prennent le relais. C'est ce qu'ils ont fait. On a sensibilisé les religieux pour qu'au niveau des prêches, qu'ils inculquent, des, qu'ils inculquent des, bonnes manières, surtout pour ce qui est de ces sachets plastiques. Nous avons aussi organisé des ateliers et nous avons fait des causeries débats au niveau des, des FADA pour toujours sensibiliser les gens à ne pas vouloir utiliser vraiment les sachets plastiques, de délaisser les sachets plastiques au profit d'autres produits que nous pouvons disposer localement. Parce qu'avant, on ne connaissait pas les sachets plastiques. Les sachets plastiques, c'est venu euh, récemment. Et c'est quelque chose qui est très dangereux pour notre survie. Voilà, c'est ça que je peux dire par rapport à cette question. Après la sensibilisation, hein? donc après la sensibilisation, nous sommes, nous avons aussi essayé de d'aller vers les privés pour leur dire de vraiment essayer de s'adonner aux aux actions de recyclage de, ces sachets plastiques. Cela permettra d'absorber la quantité de déchets plastiques qu'on a dans la nature. Et on essaie aussi de faire la promotion de nos valeurs culturelles. Nous avons des paniers. Il y a des privés qui se sont adonnés dans la confection des paniers, le petit panier de la ménagère. Nous avons des sacs en coton, en tissu. Nous avons vraiment encouragé les tailleurs à confectionner des sacs en tissu que les gens peuvent utiliser. Et nous avons opéré, il y a une brigade de salubrité et nous avons encouragé cette brigade de mener des, actions de surveillance dans les marchés ou bien au niveau des cordons douaniers et autres pour voir ceux qui importent les sachets placés pour les saisir. Et nous avons aussi tenté de, de, doter certains, certains postes de douane. On a tenté, mais jusque-là, on n'a pas pu avoir vraiment des matériels pour détecter les sachets plastiques là qui rentrent au niveau des frontières. C'est d'éviter de les importer. Vraiment, il faut que nos commerçants, quand ils amènent les sachets plastiques, non qu'à amener les sachets plastiques qui sont biodégradables. Parce que les sachets biodégradables, même si ils sont aussi visibles, au moins ces sachets-là, en un mois ou deux mois, ça disparaît dans le sol. Alors que les sachets non biodégradables, ça peut rester jusqu'à 400 ans sans se, dissoudre, sans se dissoudre dans le sol. Et ça reste intact, ça ne disparaît pas. C'est pourquoi on a beaucoup de quantités de déchets sur les dépotoirs et même dans la nature accrochés au mur ou bien dans le fleuve. Le fleuve, euh, vous avez vu quand l'eau le, quand se retire, c'est tapissé. Et ces, ces sachets plastiques-là sont très nuisibles pour ce qui est de la faune aquatique. Parce que quand les animaux essayent de manger ces sachets plastiques-là, ça, ça, ça, amène à la mort de ces animaux, que ce soit le poisson ou bien même les gros, gros animaux sauvages qui sont dans, dans, dans